Salut les amis de eSport TV, merci encore Gaï de la confiance renouvelée, merci de des likes, merci de oui merci également du baisser les commentaires. Gaï Didier Golan, la voix est un peu cassée, mais comme ça se dit, hein. donc euh, c'est du bonheur, c'est du bonheur par rapport à mon équipe nationale Sénégal Donc aujourd'hui Gaï, hier, vous avez été nombreux, nous hein. avons jubilé, fête victoire, victoire bien méritée. Le peuple sénégalais, nous en symbiose, commencez le peuple, un seul but, une seule fois, pendant un mois donc on a vécu au rythme de cette coupe d'Afrique hein. Sénégal ci enfin enfin étoile étoile c'est le maillot et ça c'est une bonne chose c'est une bonne nouvelle pour l'équipe nationale du Sénégal ba tax na l'équipe qui xëtam champion d'Afrique avec bien entendu gis ngeen Sadio Mané la génération aujourd'hui aussi concernant les informations gars yi Moi retenir connais Sadio Mané a été élu meilleur joueur de la compétition lui qui a marqué donc Gaël, 3 trois buts au double, deux passes décisives et aussi moment marqué le but décisif lors des séries de tirs au but aujourd'hui que dire également de euh, Edouard Mendy meilleur gardien du monde en hein. 2021 euh, Edouard Mendy bon ci li Coupe d'Afrique c'est le patron du meilleur gardien donc aussi également Vincent Aboubakar qui a été élu gars yi xam meilleur buteur hein, de la Coupe d'Afrique donc avec 8 euh, buts Vincent Aboubakar l'attaquant donc et numéro 10 du Cameroun donc euh, cette photo donc du illustrer di donc l'Afrique a vibré hein. le Sénégal qui entre également au Panthéon au Panthéon des équipes qui ont remporté la Coupe d'Afrique Sénégal enfin Amna étoile amna aussi li nga titre aussi meilleur team fair play meilleure équipe fair play aussi Sénégal lañ ko jox wa CAF ñoo ko par rapport aussi comportement bi joueurs am comportement bi équipe bi am wa Burkina Faso également ils ont eu comme euh, donc meilleur joueur donc de la compétition Issa Kabore, donc bu leen Coupe d'Afrique bi passé et lañ ko donc euh, euh, Crépin diata. donc aujourd'hui donc mon meilleur euh, petit espoir jeune joueur plutôt Lien Gisni, gis bouteille mi wax Gabalski gardien au Égypte ni la doon def def ci ku fi nga doon dóor et tout gis bouteille bi waxoon nañ ci avant sax finale bi donc également image bi Mon ah, moom ak ki nga xam Edouard Mendy Gabalski le gardien de Égypte ak Edouard Mendy nii échangé maillot par rapport à li nga xam ne euh, finale bi finale bi aussi Sadio Mané délivré le Sénégal Ghana ba nga xamee ne dafa penalty il a raté un penalty mais après il s'est rattrapé double penalty décisif bi gis ngén di kenn dootu ko ça va rester toujours dans les annales du football euh, mondial et africain et sénégalais également cette communion Sénégal bi nga un trophée continental pour la première fois de son histoire depuis 1960 gars depuis l'indépendance bi ba coupe d'Afrique commencé dans les années 67 ba légui Sénégal a daw pour jéem li nga coupe d'Afrique avec cette génération hein. aujourd'hui donc vous voyez Abdou Diallo donc euh, Pape Gueye Nampalis, ak les Lions qui ont montré qu'ils étaient à la hauteur hein. donc les gars kenn c'était la joie c'était l'union Edouard Mendy aussi gars c'est quelqu'un qui s'est battu de 2014 à 2021 il est parti du statut de chômeur hein, à stagiaire il est meilleur joueur mais plutôt champion de la Ligue des champions plutôt avec Chelsea enfin champion d'Afrique nekk meilleur gardien africain, Edouard Mendy, qui mérite cela et qui va courir vers le titre de euh, meilleur joueur africain. Également, Sadio Mané, a dit joueur yi tey ni la ñu yeewoo ku nekk da euh, King Coupe d'Afrique bi ci donc Sadio Mané qui a savouré cette victoire mon miné, trophée bi daf ko déjee peuple sénégalais pas ak lui si c'est. également les deux amis les deux frères Cheikh Kouyaté ak ki nga xam ne mooy Idrissa toujours amis ñoom yi nañ Coupe d'Afrique bi ils ont beaucoup œuvré également pour cette Coupe d'Afrique donc les deux amis Papa Abou c'est également hein, défenseur membre Coupe d'Afrique 2019 il n'avait joué aucun match bini nii joué deux matchs joué également troisième demi-finale il est entré en jeu également et aussi notre capitaine Courage le capitaine sénégalais, le rock de la défense, Khalidou Koulibaly, également, il s'est montré, il a été phénoménal, Khalidou Koulibaly. Phénoménal, Khalidou Koulibaly. il y Rien à dire. Aussi, hein, King Hamne Moumé Famara qui a marqué un but dans cette compétition. Famara Djedjou aussi un grand attaquant bon de la tête Famara Diédhiou qui a également participé à trophée bi nga Sénégal gagné nako rien à dire aussi sur l'enfant de Bambali Sadio Mané bi nga xamné mom néna trophée bi moko le gënal ci trophée de mos a ci parce que moom nek xal doon seetaan ñu El Diouf bu gagné donc on a soulevé ce trophée trophée boo xamné ce n'était pas facile les gars c'était loin d'être facile. On a vécu beaucoup de choses, les gars. On a vécu beaucoup de, tristesse, beaucoup de maladresse. On se rappelle, gars, c'est une génération 2019, bi, hein, Ismaël photo bi, voilà, aujourd'hui, toujours critiqué, hein. longtemps, longtemps critiqué. Mais Alucissé, Mingi, voilà, t'es gagné, les gars, et le Sénégal, Donc, aujourd'hui, on a traversé la vache maigre. On, est passé par cette situation. Alucissé, il a toujours supporté, Il, il rentre dans l'histoire comme le premier Sénégalais à avoir emporté la remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. donc tu nit une équipe gagné a ko nit ku équipe qui a gagné et c'est grâce à Aliou Bingham aussi il a porté haut hein, le statut des entraîneurs locaux Tu as une wax entraîneur dëkk yu fait amee fit tey di jël entraîneur di jox équipe C'est parce qu'il y a euh, Aliou qui a également fait de bonnes choses Aliou aujourd'hui trophée aussi trophée au tax Sadio Mané nee mané, il a raté. moom laa xalaat aussi moom laa parce que ce gars là il a beaucoup fait pour cette équipe nationale gars Excusez de la voix, hein. il a beaucoup fait pour l'équipe nationale du Sénégal, il s'est beaucoup donné. Donc Sadio Mane aussi, hein. il a touché ce trophée cette année. d'ailleurs ko doon la gis la di ko tàllal 2017 hein. reste na penalty demi finale bi mu raté penalty mais génnewaat la penalty rendre nous heureux. Khalidou Koulibaly également qui est parti de zéro aussi il y a quelques mois un mois de cela il s'est sax jouer problème comme il s'est battu a jouer pour l'équipe nationale du Sénégal que dire également de son de sa performance mon minimum irmão. musta doute ci équipe bi gars ñu doon mais musta doute et que lolo promet promettre woon Sénégal yi trophée bi il l'a fait trophée Sénégal dina ñëw tay hein ah. donc Idrissa Gana Gueye aussi gars yi le plus capé de l'équipe nationale du Sénégal il ëpp sélection Idrissa Gana aussi qui a rempli son rôle là à merveille gars match final bi il a fait un très gros gros match gars yi ñu ko doon critiqué mais il est toujours jovial toujours souriant mom ak gis nga ak Sadio Mané ñom ñaar ñoo ëpp sélection équipe nationale du Sénégal à côté de les petits la nouvelle génération qui va arriver mais que dire aussi de Cheikhou Kouyaté Cheikhou Kouyaté des gars yi macha respect à cet homme qui vrai de la gars yi vrai gain la lu nekk dégg na ko mu nekk dégg mais il a supporté il a pris sur son dos toujours souriant à Moustamer et aussi gis ngeen génération bii nii ah, donc qui ngeen joueurs yi ñoom ñëpp ci communion bi le Sénégal l'a fait gëm Bob, Abdou Diallo aussi qui est le symbole ah, de cela mais aussi sans oublier Nampalys Mendy et là Nampalys Mendy aujourd'hui sentinelle du Sénégal doon seet gis nako aujourd'hui mooy horloge équipe nationale Sénégal moi joxe tempo bi mooy joxe temps bi donc Nampalys Mendy qui a fait une extraordinaire ah, une canne exceptionnelle donc moom it dañ koy ñaan bu delloo Leicester mu am club bu gën Leicester et c'est en bonne voie pour one Talent, mais aussi, hein, il y a d'autres joueurs, Balotouré, Sénidien, entre autres, mais également Nampalis Mendy, Gaï, Nampalis Mendy, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de, cette Coupe d'Afrique. Hein. On peut parler de Sadio on peut parler d'autres joueurs, mais Nampalis aussi, il fait partie de ces joueurs exceptionnels. Abdou Diallo, non, Abdou Diallo, Gaï, quand je pense que le gars, il y a même pas un an mais moins d'un an le équipe nationale du Sénégal avec beaucoup d'humilité et il a prouvé aujourd'hui il forme un dieu exceptionnel avec un nga de ne moom Kalidou au niveau de la défense sénégalaise donc indéboulonnable Abdou Diallo magnifique magnifique Abdou Diallo magnifique mais Gaï aussi qui qui respect respect à Salucis Gaï. gars à Saliou ah, toujours critiqué mais mon business il est toujours resté zen salusis, qui fait partie de la génération de 2012 hein. il a montré voilà que c'était le patron malgré que les gars aient eu confiance au départ mais salusis a su profiter de l'absence de euh, des autres joueurs pour se confirmer Bouna également gars l'homme de Thiès hein, il a fait une canne exceptionnelle le patriotisme est incarné à travers Ismaël Sarr aussi hein, gars Ismaël Sarr mi nga été dafa blessé Watford ne du ñëw moom mu jaral ko mu day par force hein. dem entraîner ji en Espagne reprendre at l'équipe nationale Sénégal passe décisive contre bien entendu l'équipe du Burkina Faso donc Ismaël Sarr c'est c'est Sarr il a fait du ISO à côté également de Saliou si Seyni qui également est à saluer moom mi nga xamné ba Edouard Mendy absenté en Covid deux matchs il a fait des matchs exceptionnels il n'a pas pris de but et aujourd'hui il fait partie également des relèves Il hein. aussi hein, euh, comme vous le savez qui est Edouard Mendy il nous a sauvé Edouard Mendy qui va rentrer au Sénégal avec le trophée et également à Chelsea avec le trophée qui, bien entendu, vient de franchir une autre étape. La nouvelle génération, la le futur du Sénégal, Minginia, ah, euh, Bambadja, un jeune à son âge, il a montré beaucoup de choses et aussi Pam Matarsa, Khalei Nyoyor, euh, logo Sénégal, la nouvelle génération sénégalaise signé les Diara, ah, des jeunes à saluer, des jeunes à encourager parce que c'est le Donc on compte sur nos jeunes, le Sénégal qui a une bonne jeunesse, on pense aux autres jours, Pape Abou Sissé également l'enfant de Pikina, l'enfant de Pikin, l'enfant de Natangé qui, qui s'est battu pour le Sénégal aussi, qui aujourd'hui représente Pikin dans cette Coupe d'Afrique. Hein? Image Bigay aussi, une image pour garder. Capitaine, Bigani 2002, 22, capitaine, Miramon patron 2002, l'échange hein, de nouvelles générations, Mais aussi, bilan Coupe d'Afrique au niveau de la CAF, au niveau du Cameroun, notamment au niveau du Cameroun. La fête a été belle, il y a eu des couacs par rapport à Covid Bigay mais le Cameroun a su organiser malgré les difficultés. Donc également félicitations au peuple camerounais, félicitations également à Etofis, félicitations aussi à tous ces supporters camerounais qui ont supporté équipe jusqu'à la fin et qui ont également supporté le Sénégal. Gars, donc les Lions qui arrivent aujourd'hui vers 15h dans les normes, on a mieux pour soutenir les, accompagner les, féliciter les, accueillir les gars. Quant à moi, je vous donne rendez-vous en hein. Coupe d'Afrique de Tahouni Def Sport. On va continuer à le faire. Il y a une nouveauté, il y a de like, abonner. y abonnés. Nous attendons 100 000 d'abord, 1 million, Inch'Allah. Djangen toujours un plaisir de vous servir, gars.